Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal de 20h30. Les titres. Du sport dans l'agenda présidentiel à la faveur de la Coupe nationale disputée cet après-midi au stade général Seine-Kunti de Niamey par l'association sportive de la garde nationale et celle de la douane. Le coup d'envoi du match a été donné par le chef de l'État, Mohamed Bazoum. Et puis un séminaire gouvernemental a été présidé ce matin par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Les membres du gouvernement se sont familiarisés davantage sur les procédures de la Banque mondiale. Soyez les bienvenus dans ce journal que nous débutons avec euh, le président de la République, Mohamed Bazoum, qui a présidé cet après-midi la finale de la Coupe nationale édition 2023 qui a opposé l'AS Garde nationale à l'AS Douane. Une finale remportée par l'AS Garde nationale. Le président de la République, Mohamed Bazoum, félicite les acteurs de cette finale et a profité de cette occasion pour remettre le drapeau à la délégation de l'équipe U23 qui se déplace au Maroc ce soir pour participer à la Cannes U23. Nous l'écoutons. Elle a été plaisante. C'était un jeu plaisant, de niveau plutôt moyen euh, pour être franc. Euh, mais beaucoup de fair play de la part des joueurs. Vous aurez vu, je crois qu'il n'y a pas eu de carton. Il n'y a pas eu un seul carton jaune. C'est à l'honneur des joueurs. Et puis, euh, la GNN, l'équipe de la garde nationale, a eu plus de chances que celle de la douane. C'est un jeu très, très équilibré. N'importe laquelle de ces deux équipes aurait pu gagner cette coupe. La GNN l'a gagnée, c'est tant mieux pour elle. Je voudrais féliciter euh, les joueurs, féliciter euh, les jeunes qui sont venus au stade et je voudrais leur lancer un appel de s'investir encore plus dans le football euh, et de s'engager vraiment de façon que nous puissions euh, pour nos équipes à avoir un autre niveau et de grandes ambitions, euh, tant en Afrique que dans le monde. Ces jeunes aussi, euh, nous avons eu l'occasion de leur serrer la main et puis de leur former nos voeux de réussite. Nous allons prier pour eux et qu'ils donnent le meilleur de ce qu'ils peuvent donner en cette circonstance où ils vont représenter tout le Niger. Vous suivrez l'élément complet de cette euh, finale de la Coupe nationale qui a opposé la s Garde nationale contre la s Douane. À l'agenda présidentiel, euh, il faut noter deux audiences. Le président de la République euh, s'est en effet entretenu hier avec euh, une délégation de la plateforme paysanne du Niger conduite par le président du comité d'administration et avec une délégation de la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Une rencontre qui a eu lieu en présence des ministres concernés, Jocelyne Amoussou et Mahamadou Adamou pour le compte rendu. Cette délégation de la plateforme paysanne du Niger est venue rendre compte au chef de l'État des conclusions de certaines de ses assises et saluer son leadership basé sur le dialogue social. Euh, le leadership dans la mesure où, à chaque instant que nos organisations paysannes ont besoin de le rencontrer, ses portes sont ouvertes. Nous sommes venus aussi lui transmettre nos remerciements par rapport aux différentes réalisations en matière d'agriculture, en matière d'élevage, en matière de développement du secteur rural. Nous avons évoqué avec lui aussi la question de la sécurité, où nous avons salué les efforts qui sont d'être faits par les forces de défense et de sécurité, mais également cette dynamique de dialoguer. Parce que pour nous, en tant qu'organisation de producteurs, naturellement, quand euh, les victimes sont en grande partie soit des agriculteurs et des éleveurs, nous pensons que c'est à travers le dialogue qu'on peut aussi accompagner ces forces de défense et de sécurité pour arriver vers la, la, la, paix. Nous avons salué cette initiative des chefs d'État, euh, la réunion qu'ils ont eue à Lomé, où ils ont parlé d'engrais et de la fertilité du sol. Nous sommes en début de campagne. Les questions d'engrais, c'est une vraie préoccupation pour nous. Donc nous sommes venus exprimer ce souhait de voir ce soutien se réaliser pour que les producteurs puissent accéder à ces engrais à des prix acceptable et à des euh, périodes bien précises. Nous avons aussi partagé avec lui les résultats de la semaine, la troisième édition que nous avons eue à Giratawa, où nous avons annoncé les résultats, les conclusions, mais nous avons aussi souhaité que la quatrième édition soit placée sous sa présidence et il a accepté les préoccupations liées à l'éducation au Niger, notamment le recrutement des contractuels, sont entre autres points au centre de cette deuxième audience qu'a accordée le président de la République Mohamed Bazoum à la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président de la République et là nous sommes sortis satisfaisants, rien gardu par rapport à toutes les préoccupations, n'est-ce pas, euh, de l'école par rapport au problème des, enseignants. Nous avons échangé, n'est-ce pas, à grand camp, comme on le dit, avec le président de la République par rapport à toutes ces questions. Par rapport surtout au recrutement, nous avons longuement euh, discuté avec euh, le président de la République et il nous a promis, n'est-ce pas, que cette année, Inch'Allah, dans le cadre du plan de résumption des enseignants contractuels, un recrutement sera fait en 2023 aussi par rapport au recrutement des enseignants du secondaire, de 2950 enseignants du secondaire que le processus a déjà commencé, n'est-ce pas, là aussi, par rapport aux 184, 165 enseignants qui attendent, n'est-ce pas, et des bonnes perspectives vont s'ouvrir et Inch'Allah, dans les jours à venir, donc euh, une solution ou des solutions idoines vont être retrouvées. Les secteurs agricoles et de l'éducation sont deux secteurs faisant partie des priorités du président de la République Mohamed Bazoum qui très tôt a décidé de prioriser le dialogue social pour la résolution des différentes préoccupations. Plénière à l'Assemblée nationale ce matin, un seul point était à l'ordre du jour, le contrôle de l'action gouvernementale, question d'actualité adressée aux membres du gouvernement. Trois ministres ont été invités par les élus du peuple sur des questions liées à l'hydraulique, à l'énergie et à la prévention d'éventuels risques d'inondation à Difa à la veille de la saison des pluies. Une plénière qui a eu lieu en présence du ministre de la Communication, commissaire du gouvernement. Retrouvons Justine Amoussou pour le point. Cette séance plénière, réservée aux questions d'actualité, adressées aux membres du gouvernement, répond aux dispositions de l'article 119, aléa 1, qui prévoit que, pendant les sessions, l'Assemblée nationale organise un samedi sur deux une séance de ce genre. Une séance qui est présidée aujourd'hui par le troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Le seul point de l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui concerne l'examen des questions d'actualité. Conformément à ces dispositions, je vous rappelle que les députés inscrits disposent chacun de trois minutes pour poser euh, sa question. La réponse du membre du gouvernement ne serait excédée donc euh, cinq minutes. Les députés prennent la parole selon l'ordre d'inscription auprès du président de l'Assemblée nationale. La première question d'actualité liée à l'hydraulique devait être posée par la députée Sadatou Saleh. Étant en déplacement, c'est donc la seconde question qui a été posée par le député Koumeini Daoud au ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables. L'honneur me choisissait de cette prérogative constitutionnelle pour nous permettre d'être édifiés sur une question aussi importante que d'actualité, à savoir la problématique d'accès à l'électricité. Pour un petit rappel, l'accès à l'électricité au Niger est non seulement l'un des plus faibles d'Afrique subsaharienne, mais reflète également des disparités importantes entre les zones urbaines et rurales et entre les régions. Au cours de ces cinq dernières années, le gouvernement a mis en place un cadre institutionnel et juridique propice pour relever les principaux défis du secteur. Ainsi, il a libéralisé le secteur avec l'approbation du Code d'électricité l'électricité en mai 2016 mettant ainsi fin au monopole de l'Angélec et ouvert le secteur à la participation du secteur privé, notamment dans le domaine de la production et de l'éducation rurale. Des investissements sans précédent ont été mobilisés pour de nouvelles capacités de production, des réseaux de transmission et de distribution, ainsi que pour des mini-réseaux et des solutions hors réseau. Et rien qu'avec la Banque mondiale, qui est un de nos partenaires traditionnels majeurs de développement dans le secteur de l'énergie au Niger, les portefeuilles avoisinants 800 millions de dollars en termes d'investissements réalisés ou en cours de réalisation, c'est simplement énorme. Monsieur le ministre d'État, malgré tous ces investissements, nous avons toujours du mal à constater que des améliorations importantes dans les cadres de vie des citoyens lambda soient ressenties. Les délestages, les coupures intempestives continuent et avec des fois des délestages aussi désagréables que préjudiciables dans certains cas. Quelles sont les raisons de toutes ces insuffisances, les cas échéants, cela nous amènera à poser la question, à poser des interrogations sur la véritable stratégie énergétique mise en place par le gouvernement dans ce domaine de l'énergie dont vous avez la lourde responsabilité. Effectivement, il y a des disparités entre régions et au niveau du monde rural, reconnaît le ministre d'État. Des stratégies sont prévues à cet effet, a-t-il ajouté. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de rendre compte aux Nigériens de ce que nous faisons dans le domaine de l'accès à l'énergie et plus particulièrement, comme vous l'avez évoqué, sur l'accès à l'électricité. Il y a deux questions importantes en vérité dans ce que vous avez dit. La première, qu'est-ce que nous faisons globalement pour améliorer l'accès à l'électricité Vous avez à juste titre indiqué qu'il y a un faible taux d'accès à l'électricité parmi les plus faibles de l'Afrique, des disparités à l'intérieur de ce taux qui est déjà faible entre les régions, et des disparités entre les régions et le monde rural. Et ces disparités sont très importantes. C'est pourquoi nous avons mis en place une stratégie qui va nous permettre de les corriger. Ce que nous visons normalement dans cette stratégie, c'est de faire en sorte que 80% des Nigériens, d'ici 10 ans, puissent avoir accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous sommes à à peu près 20%. Et dans le monde rural, nous sommes à moins de 5%, où vit une population de 80%. Donc c'est ça notre objectif. Et pour cela, nous avons des projets effectivement avec des partenaires qui vont nous permettre à moyen terme de réaliser et de progresser euh, de manière significative et substantielle dans l'accès à l'électricité. Si vous faites euh, l'addition des projets que nous avons en cours avec la et avec l'Ampère, nous serons capables dans quelques années à venir, vraiment à, à très court terme, réaliser au moins l'électrification de plus de 2000 localités dans notre pays et vous pouvez les consulter. Ces localités sont précises, elles sont identifiées, mais nous pouvons même faire plus et nous allons faire plus. Parce qu'à côté de ces projets, il se développe un partenariat privé qui est possible maintenant avec la législation que nous avons et qui va nous permettre d'améliorer nos capacités de production, l'électrification rurale. Donc nous voudrions réaliser un objectif plus ambitieux que celui qui est dans la stratégie. C'est ça notre objectif et c'est ce que nous allons faire, puisque à côté de ces projets que nous avons, à côté du partenariat public-privé que nous avons, le président de la République lui-même nous a instruit de mettre en place une sorte de programme spécial conséquent. Nous sommes en train de faire, à partir des critères démographiques, tous les villages de plus de 1000 habitants, ils vont être électrifiés dans le cadre de ce programme. Donc si vous additionnez les localités qui sont prévues dans le programme du président, les localités portées par les cinq projets qui sont en cours dans le secteur de l'énergie, nous pouvons être capables vraiment dans des conditions raisonnables de réalisation, mettre dans l'accès à l'électricité entre 4 000 et 5 000 localités dans notre pays. Et ça, nous allons le réaliser avec votre soutien, Inch'Allah. Maintenant, sur les coupures, à Niamey particulièrement, cela pose un autre défi qui est un des défis portés par la politique de lundi, c'est sortir de plus en plus de la dépendance. À peu près 70% de notre électricité vient d'un pays voisin, C'est la base d'un partenariat que nous avons. Au niveau de Niamey, où les coupures ont été quelque peu récurrentes ces derniers jours, l'essentiel de l'alimentation est constitué de trois sources. Vous avez cette source du Nigeria, vous avez les productions de la Nigélec et vous avez les productions d'un partenaire euh, privé indépendant. L'interconnexion avec le Nigeria, c'est à peu près 80 MW. La centrale de Gorubanda, c'est 80 MW. Le partenaire privé devrait produire 89 MW. L'offre totale, elle est théoriquement de 249 MW pour une demande de 220 MW. Donc théoriquement, nous avons les moyens de couvrir largement la demande dans la ville de Niamey et de ne pas avoir de rupture. Malheureusement, on a des difficultés techniques qui sont intervenues et qui nous ont posé des problèmes. Au niveau de la centrale de Gourbanda, deux groupes sont tombés en panne et ils ont divisé notre capacité de production par deux. C'est ça la réalité pour Gourbanda actuellement. Donc nous travaillons pour sortir de cette situation. Malheureusement, encore au niveau de Istitma, un autre groupe est tombé en panne et nous a fait perdre 15 MW de production. Donc vous avez à peu près trois groupes qui sont en panne au niveau de la Nigélec et au niveau de et vous connaissez les difficultés récurrentes aussi que nous avons en provenance du Nigeria, des difficultés pratiques ou techniques. C'est ce qui a fait qu'au niveau de Niamey, nous n'avions pas été capables pendant quelques jours d'avoir, de répondre à la demande et de n'avoir comme capacité qu'entre 170 et 194 mégawatts et qui a conduit à des délestages souvent entre deux heures ou un peu plus, souvent certaines régions. C'est ça, certaines euh, certains quartiers de Niamey. Donc c'est ça que nous sommes euh, en train de gérer. Nous avons aussi une autre, difficulté, elle est totalement technique, elle est interne à nous, nous allons la gérer, c'est lié au combustible. La dernière question d'actualité est adressée au ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes par le député Boulou Mamadou. Monsieur le Président, dès que mon grand frère Laon a vu l'interpellation du député Boulou, il va juste penser pour la situation des gens Guesquerou, pour les, tous les cancer, mais ce n'est c'est pas sur cette question que je voulais intervenir aujourd'hui. Et j'ai que j'ai compris, au Niger, on a instruit le président de la République dans des instructions femmes, pour faire retourner des gens villages de Guesquerou et qui ont pas à l'équité. J'ai compris qu'il y a un État dans un État. Donc ça, je ne vous embête pas. Monsieur le ministre, L'année passée, la région de Difa a été doublement touchée par les inondations causées par le pluie Livien et la crue de la komadougou Pour rappel, Monsieur le ministre, la Komadougou est l'une des ressources providentielles pour les riverains car elle permettra de faire l'irrigation de cultures, de produits maraîchers et également la pêche. Malheureusement, ces producteurs riverains perdent ces dix dernières années l'essentiel de leur production à la suite des dégâts provoqués par des inondations causées par la crue de cette Comadou. Rien qu'en 2022, des superficies importantes des champs de culture, sorgho, niébé, riz, poivron, oignon, etc., ont été surmergés et laisser cette population à l'air sort sans évaluation de perte. Par ailleurs, plusieurs ménages dans les communes urbaines de Difa, Geskeu, Bosso, Chetimari et Toumour ont été affectés par ces inondations consécutives à la crue de cette Komadougou. Monsieur le ministre, à la veille de la saison de pluie et au retour de la Comadougou dans quelques jours à venir. Quelles sont les dispositions prises pour mieux sécuriser les populations de communes de Difa, Geskerou, Bosso, Chetimari et Tumuru face aux éventuelles inondations Naturellement, dans son intervention, le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes est revenu sur la question du retour des populations déplacées effleurée par le député avant de répondre aux dispositions prises par l'État concernant d'éventuelles inondations à Difa. Le retour des populations, selon la loi 2018-74 et selon un des principes, des 30 principes humanitaires, le retour de la population est volontaire et les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Niger et le système des Nations Unies avec le Niger s'accordent toujours à ce que le retour soit volontaire avant de le réaliser. Nous avons réalisé un premier retour avec le président de la République en personne, où 23 villages sont retournés en juin 2021. Et au courant de l'année 2022, le président de la République a souhaité que 45 villages, effectivement, de Guesquerou puissent retourner mais c'est un travail que nous faisons avec l'ensemble des partenaires. Donc les 45 villages ont été repartis en 5 groupes. 15 premiers villages qui sont contigus à la ville de Difa, dont le retour est sans difficulté. 15 villages qui sont un peu au milieu, dont le retour nécessite un certain nombre de réhabilitations d'infrastructures. Et les 15 villages qui sont le plus proches de la Komadougou et qui sont donc euh, des villages où il faut nécessairement qu'on assure la sécurité des populations avant de faire le retour. C'est ça qui a fait que euh, le retour n'a pas pu avoir lieu. Mais le gouvernement du Niger a contribué à ces 45 euh, villages. Euh, au mois de carême, déjà, des distributions ont été faites pour certains sur place. Et d'ailleurs, comme vous le savez autant que moi, 16 villages sont retournés de manière volontaire. Et c'est ça qu'on souhaite. Si les partenaires constatent que c'est de manière volontaire que les gens retournent, parce que la paix est garantie, eh bien, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est euh, des dispositions qui sont prises euh, par rapport au retour de la Comadougou, ça fait deux ans. En 2019, la Comadougou a fait le même, euh, la même crue exceptionnelle. Et voilà qu'en 2022, nous avons encore enregistré ça. Pour rien que l'année 2022, les pertes que vous avez annoncées ont été estimées à 23 milliards de francs CFA. C'est beaucoup. Des dispositions sont en train d'être prises à travers le projet PIDUREM. C'est le projet PARCA et le projet PIDUREM qui devraient aider à faire des digues pour pouvoir protéger euh, les populations et canaliser les eaux. Notre objectif dans le cadre des solutions durables pour les personnes déplacées internes, que nous avons déjà engagé avec euh, euh, le ministre chargé des relations avec les institutions lorsqu'il était gouverneur de DIFA, c'est de créer les conditions de canaliser les eaux depuis la Comadougou jusqu'au-delà du goudron pour pouvoir préserver le goudron et préserver de l'eau afin que les gens puissent travailler la terre, même dans la zone de déplacement où ils sont, lorsque le retour n'est pas, euh, pas garanti. Sinon, dans l'ensemble, depuis euh, euh, le mois de mai, nous avons pris des dispositions avec l'ensemble des partenaires. Tous les lundis, nous nous réunissons au niveau du ministère pour pouvoir examiner les situations de la semaine passée et prendre les dispositions pour répondre aux populations. Donc là, nous avons un plan triennal de, gestion des inondations qui court actuellement, euh, qui fait 44 milliards de francs CFA, dont le gouvernement du Niger va contribuer pour près de 40% et les partenaires techniques et financiers pour près de 60%. C'est une activité transversale qui est faite par l'ensemble des partenaires, et les partenaires humanitaires, les partenaires de développement et le gouvernement du Niger. Donc pour ça, je peux vous garantir que, Inch'Allah, nous allons prendre les dispositions, pas peut-être tout de suite, puisque la goût arrive le 15 juillet le 15 juillet. Donc dans un mois, un mois et demi, c'est sûr que la Koumadoubou sera là. D'ici là, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire les digues, mais le PIDIRAM a démarré depuis le 4 octobre. Certainement, les dispositions seront prises pour que ces digues-là puissent être faites afin de protéger ces populations, mais surtout de les accompagner. Rien que dans la campagne qui vient de passer, beaucoup de semences et d'intrants ont été donnés à ces populations à travers des ONG, notamment l'ONG Garquois avec l'appui du PAM et beaucoup d'autres partenaires. Et actuellement, le HCR est en train de construire dans vos villages, vous le savez très bien, des maisons qui vont permettre de protéger ces populations, des maisons avec des matériaux locaux, mais beaucoup plus durs, qui vont faire en sorte que les populations puissent, de leur propre euh, chef, construire à partir de ces, de ces modèles qui sont faits à Gagam, à Garindogo, à, à, même, à Dewa, près de 294 maisons sont en train d'être construites, de prototypes que les populations peuvent faire. À la fin de cette séance plénière, le troisième vice-président de l'Assemblée nationale a remercié les membres du gouvernement pour leur disponibilité. Les travaux en séance plénière à l'Assemblée nationale reprendront le mercredi prochain avec à l'ordre du jour l'examen et le vote de deux projets de loi portant ratification, dont l'un sur le Conseil national de sécurité et l'autre sur le développement des centrales solaires et l'amélioration de l'accès à l'électricité au Niger. Restons toujours à l'Assemblée nationale avec euh, la tenue ce matin d'une journée parlementaire d'information sur la couverture sanitaire universelle. Journée de plaidoyer organisée par le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. C'est le troisième vice-président de l'institution qui a présidé cette assise en présence du président de la commission des affaires sociales et culturelles. Retrouvons Justine Amoussou pour le compte-rendu. Cette journée parlementaire de plaidoyer a pour objectif principal d'informer les élus du peuple sur les thématiques prioritaires de la santé au Niger, notamment la couverture sanitaire universelle et la nécessité de compter sur des systèmes de santé solides et résilients. Dans ce sens, l'OMS est à l'avant-garde du processus. Au Niger, la dépense de santé par habitant est de l'ordre de 42,57 dollars soit environ 26 000 francs seulement par habitant en 2021. Or, pour accélérer les progrès vers la couverture santé universelle, chaque État doit garantir le minimum de prise en charge requis en matière de dépenses de santé, à savoir les 67 000 francs. À cet effet, l'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec les partenaires du secteur de la santé, poursuivra son accompagnement au gouvernement dans ce processus, y compris le monitoring des progrès effectués. À terme, il s'agit de renforcer les engagements de l'État par rapport à la santé, selon le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique. Face aux enjeux et aux défis du monde actuel, il devient impératif de faire progresser la mise en œuvre effective de la couverture sanitaire universelle pour contribuer, entre autres, au succès et à la durabilité des outils de développement durable à l'issue des échanges. Notre souhait est que des honorables députés perçoivent les problèmes et les défis que soulève chacune des thématiques qui seront présentées. Au cours de cette journée d'échange, les élus du peuple ont eu droit à plusieurs présentations. Celle du directeur des études et de la programmation sur la couverture sanitaire universelle, la présentation de la directrice générale de l'INAM, Institut national d'assistance médicale, mis en place par l'État en novembre 2022, outil central de la réforme de la gratuité des soins et du financement de la santé au Niger, et la problématique du don de sang par la directrice du Centre national de transfusion sanguine en prélude à la journée du donneur de sang le 14 juin prochain. À la primature, le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoud Mamadou, a présidé ce matin à Niamey les travaux du séminaire gouvernemental consacré aux procédures de la Banque mondiale. Ce séminaire a réuni les membres du gouvernement, les secrétaires généraux des ministères et les directeurs généraux des unités de gestion des projets. Ali Ibrahim et Mahmoud Adamou pour le compte-rendu. À la date du 15 mars 2023, la Banque mondiale a financé 35 opérations au Niger, dont 22 projets nationaux et 13 régionaux pour un montant de 4,7 milliards de dollars. L'importance du volume de l'intervention de la Banque mondiale fait d'elle la première partenaire multilatérale du Niger. Ce séminaire gouvernemental démontre l'importance que les autorités au plus haut sommet de l'État accordent à cette coopération appliquer, se familiariser et respecter les procédures de la Banque mondiale. C'est à cet exercice que s'attellent depuis ce matin autour du Premier ministre chef du gouvernement, les membres du gouvernement, les directeurs généraux des unités de gestion des projets. Il s'agira donc euh, au cours de ce séminaire d'instruire euh, les ministres euh, et leurs collaborateurs sur les procédures de la Banque mondiale. Nous avons effectivement toujours euh, parler des procédures en les voyant toujours dans le sens euh, de sources de blocage. Euh, nous allons donc aujourd'hui comprendre pourquoi certaines procédures sont nécessaires, mais aussi avoir le détail de tout ce qui est requis, parce que très souvent, la faute n'est pas là où on l'attend. Des fois, la faute émane de nous-mêmes et parfois cette faute-là est liée à un manque d'information sur euh, les procédures et sur les différentes étapes à franchir, euh, particulièrement en matière de passation des marchés. Ce séminaire gouvernemental a eu comme support plusieurs communications sur les procédures de la Banque mondiale, communications ayant permis de renforcer davantage les connaissances. Communiqué de l'état-major des armées dans cette édition, le vendredi 9 juin 2023, aux environs de 18h, un ennemi lourdement armé à bord de huit véhicules a attaqué la position de Tabarkat, site, site minier au nord-est d'Arlit. La réaction énergique des forces présentes a permis de repousser l'attaque et engager une poursuite des assaillants qui finalement pu euh, s'exfiltrer vers le nord. Des opérations de recherche sont en cours. Le bilan est le suivant. Côté ami, une Toyota a été endommagée. Côté ennemi, trois corps laissés sur place quatre Toyota récupérés, dont une calcinée, une mitrailleuse de 12,7 mm récupérée, plusieurs roquettes RPJ et des munitions diverses récupérées. Le chef d'état-major des armées, au nom du président de la République, chef suprême des armées et du ministre de la Défense nationale, adresse ses félicitations et ses encouragements aux forces de défense et de sécurité qui ne cessent de prouver leur engagement et leur détermination dans leur mission de défense du pays. Autre aspect de cette édition arrivée ce matin à Dosso du ministre du Commerce et celui de la Santé publique de la population et des affaires sociales. Objectif, encourager les agents du ministère du Commerce et les éléments de la police nationale suite à une importante saisie de cigarettes. Le résumé avec Ali Hashimou et Haris après les salutations d'usage avec les autorités régionales de Dosso, dont le gouverneur de Dosso, Al-Bashir Abokar en tête, le ministre du Commerce, Al-Kash Al-Hada, et le ministre de la Santé publique, de la Population et de l'Action sociale, Edi Iliassou, sont allés directement à l'OPVN où les marchandises saisies ont été stockées. Il s'agit d'un important tonnage de cigarettes de vente non autorisées au Niger que les agents du ministère du Commerce, avec la collaboration des éléments de la police nationale, ont saisi. Le ministre du Commerce exprime ici ses sentiments de profonde satisfaction pour cette prouesse. Nous sommes venus euh, euh, constater de visu euh, la saisie qui a été faite de plus de 6000 cartons de cigarettes. Vous voyez bien un stock extrêmement important, impressionnant, d'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA. Saisie qui a été faite grâce à, la vigilance les agents du ministère du Commerce, les enquêteurs, et en même temps aussi profiter pour remercier le ministre de l'Intérieur et la police nationale pour son appui et également le gouverneur de la région de Dosso, euh, mais aussi le gouverneur de, la région d'Ottawa qui nous ont également euh, aidés. La conséquence euh, sur notre économie, c'est la conséquence sur les impôts. On a constaté que entre janvier et avril, nous avons perdu près de 4 milliards en termes de fiscalité sur les produits de cigarettes. Également, on avait des prévisions euh, pour 4 milliards par rapport à, une nouvelle imposition que nous avons faite. Et je peux vous dire que nous avons de janvier à mai 0 franc sur les 4 milliards. Mais parce que la fraude donc, de cigarettes est devenue extrêmement importante et efficace, résultat, c'est que les fournisseurs de cigarettes qui, eux, travaillent dans la légalité, évidemment, ne peuvent plus importer et sont donc découragés. Et la, conséquence, c'est justement euh, la perte de recettes fiscales pour, l'État. Retenez enfin que cette cérémonie s'est déroulée en présence du président du Conseil régional de Dosso, Maman ainsi que des autorités administratives et municipales. Une mission de haut niveau État parlementaire euh, au développement a séjourné dans la région de Zender. Objectif constater sur le terrain les activités financées par le ministère allemand de la coopération économique et du développement pour renforcer la résilience des communautés vulnérables tout en soutenant la consolidation de la paix et la coexistence pacifique. La synthèse avec Matouraki et Abdraman Maazou. Le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Lawa Magaji, la directrice exécutive adjointe partenariat et plaidoyer PAM, Out Klamer, la directrice générale Afrique GIZ, Petra Warnek, ont saisi en compagnie du gouverneur Lawali Amadou Madougou l'opportunité de cette mission pour prendre connaissance de la situation des activités du PAM et GIZ ProRes financées par BMZ et mises en œuvre par les zones GIDB et Kerniger Niger dans les communes d'intervention. Au niveau du site de Tampuntoua dans la commune de Dogo, département de Myria, les membres de la mission ont assisté au faux cardage des marques par plus de 600 bénéficiaires pour disponibiliser l'eau, sauvegarder et valoriser les potentiels productifs afin de renforcer la résilience des communautés. À la suite des échanges, la mission s'est rendue au foyer d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle farm du village de Namfontois. Les diverses activités qui ont été visitées illustrent les actions conjointes PAM et GIZ ProRes qui répondent aux chocs et sont sensibles aux activités génératrices de revenus de groupements féminins. Le dernier site visité par la délégation est l'école à cantine du village de Garon Oumarou dans la commune rurale de Dungas. Ici, 150 enfants sont pris en charge et c'était réconfortant pour les membres de la mission de les voir partager ce repas. La délégation a aussi visité le chantier en construction de la cantine, un bâtiment bio-climatique réalisé avec des briques stabilisées. Tout ceci avec la pleine participation et implication de la communauté locale. Au cours d'une brève cérémonie, les deux hauts responsables du PAM et GIZ ont réaffirmé qu'elles vont intensifier leurs solutions pour mieux répondre et anticiper les besoins des populations face aux aléas climatiques actuels et futurs. Le ministre de l'Action humanitaire a quant à lui exprimé sa satisfaction pour cette visite. Ce que nous avons vu témoigne que la mise en œuvre du nexus humanitaire développement paix est une réalité au Niger. À Danfuntua, tout comme à Garim Oumarou, les maires et les chefs de canton ont traduit le remerciement, la gratitude de leur population au président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, pour cette œuvre de haute portée de protection sociale. Le gouverneur de la région de Dosso a effectué un déplacement dans le département de Falmey. Objectif, rencontrer les populations du village de Bumba pour échanger et discuter sur les dispositions à prendre en vue de la construction des marchés modernes. Le point avec Ali Hashimou et Moussa Namewa. Le gouverneur de la région de Dosso, Al-Bashir Aboubakar, est accompagné dans ce déplacement du président du conseil régional de Dosso, Mamontrouba, des autorités départementales de Falmey et de l'honorable chef de canton de Berni, Alaj Hussein Soumana Husseini. Objectif échanger directement et sans tabou avec les populations riveraines sur les modalités, voies et moyens à suivre pour la construction du marché moderne de Bumba, un village riverain et frontalier avec le Bénin. Après moult échanges, les populations, surtout les commerçants et revendeurs, ont pris le ferme engagement d'appuyer les techniciens pour le déguerpissement des boutiques et autres hangars. Le gouverneur de la jeune de Dosso s'est dit satisfait du bon déroulement de cette rencontre. C'est une euh, question qui était en souffrance depuis plus d'une année. Le village de Bumba a été retenu pour euh, la construction d'un marché de demi-gros et euh, d'une bretelle de la mais euh, à un certain moment, la question a connu euh, des petits problèmes d'incompréhension donc avec la population. C'est ce qui traîne en tout cas le démarrage euh, des travaux. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de venir rencontrer la population. Nous avons eu des échanges très francs. Nous avons compris le boulot d'étranglement. Nous repartons vraiment très satisfaits. Et Inch'Allah, dans un bref délai, euh, les travaux vont démarrer. Dans chaque commune où le projet est mis en œuvre, c'est la commune qui prend en charge euh, ce point de vue de la population, qui n'a aucun problème maintenant. Et euh, dès qu'on règle cet aspect d'indemnisation, les travaux vont commencer. Rappelons que ce marché moderne sera construit à hauteur de plusieurs centaines de millions de francs CFA. Le maire de Falmey, les autorités administratives et traditionnelles vont user d'ailleurs de tout leur savoir-faire pour que ce projet soit une réalité, et ce, dans un bref délai. Et puis nous recevons sur euh, ce plateau le coordinateur euh, représentant du groupe de travail humanitaire de l'OIREN, la plateforme des ONG internationales au Niger, Monsieur Mohamed euh, Chikawi. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, le groupe de travail humanitaire au Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi <laughs> Qu'est-ce que ça mange en hiver <laughs> euh, euh, comme vous l'avez dit, c'est la plateforme des ONG internationales au Niger. C'est une plateforme qui existe depuis plusieurs décennies. Hein. c'est une des plus, plus, anciennes plateformes dans le monde d'ONG d'ailleurs. Et euh, elle regroupe actuellement environ 80 organisations de développement humanitaire, de résilience. Euh, le groupe de travail humanitaire est un groupe spécialisé à l'intérieur de l'OIRN qui s'occupe des questions humanitaires et qui représente l'OIRN aux tables de concertation et des mécanismes de, coordination euh, humanitaire au Niger, que ce soit avec les Nations Unies, avec le gouvernement, etc. Donc nous sommes impliqués en tant que groupe de travail humanitaire dans toutes ces questions-là et nous représentons les ONG internationales et nous collaborons avec le reste des acteurs pour euh, le, bien-être des populations du Niger. Eh bien, ce groupe a rendu public ce matin à Niamey une note de plaidoyer sur la soudure. C'était lors euh, d'un point de presse. Eh bien, parlez-nous de cette note ainsi que ses, ses objectifs. Oui. Euh, vous savez que le Niger fait face régulièrement chaque année à, des, les populations du Niger à des situations alimentaires euh, parfois difficiles en, euh, fonction du niveau de récolte, du niveau de production agricole, des, euh, du, contexte sécuritaire qui empêche les populations d'accéder à leurs champs ou à leurs lieux de pêche, etc. Donc ce, qui, diminue d'autant la production. Et nous, nous, sommes actuellement dans ce qu'on appelle la période de soudure, c'est-à-dire la période qui existe entre la fin des stocks que les populations euh, avaient constitués de, l'année précédente et la récolte qui va intervenir au mois de septembre-octobre. et cette période de soudure, cette année, s'annonce un peu plus difficile que, les années précédentes à cause justement des difficultés dont vous avez parlé tout à l'heure d'ailleurs euh, de, 2022 qui est une année euh, difficile. Donc la, note que nous avons rendue publique ce matin vise à alerter l'ensemble des acteurs et le gouvernement en premier lieu sur la nécessité de, se coordonner de façon, euh, de façon plus efficace pour avoir la meilleure réponse possible euh, à la situation d'insécurité alimentaire que vivent plus de 3 millions euh, de, personnes au Niger. Donc voilà essentiellement. Et donc nous, nous faisons des recommandations à la fois au gouvernement de façon à, avoir une réponse forte et coordonnée, aux bailleurs de fonds pour qu'il finance justement euh, toutes ces actions et à l'ensemble des acteurs pour accompagner à la fois le gouvernement et les, les populations à euh, prendre le dessus euh, sur une situation difficile. Et eh bien justement, justement au, au vu des objectifs hein, de cette note de plaidoyer, quel message avez-vous à l'endroit les donateurs, euh, les organisations internationales, les ONG et autres organisations de la société. Essentiellement, à l'endroit des donateurs, c'est de leur euh, demander de continuer. Parce que les donateurs font, déjà beaucoup, d'accord Mais de, continuer à appuyer le gouvernement du Niger pour, euh, et, en appuyant le gouvernement du Niger, mm-hmm. ces donateurs appuient les populations, en fait, pour que les populations souffrent le moins possible. Hein. Euh, incluant les femmes et les enfants, qui sont les premières victimes mhm. euh, de, de, toute cette situation-là. Euh, pour, pour, le reste de la communauté, c'est aussi de travailler très étroitement ensemble, de façon coordonnée, de façon à ce que la réponse soit la plus efficace possible. Eh bien, avez-vous un message spécifique vis-à-vis du gouvernement du Niger Vis-à-vis du gouvernement du Niger, comme je l'ai dit, le gouvernement fait, fait beaucoup. C'est lui le premier répondant euh, à, à, toutes les situations de crise. Nous avons entendu tout à l'heure le ministre de l'Action humanitaire intervenir sur certains, un certain nombre de dossiers. Donc, euh, euh, dans cette situation d'insécurité alimentaire, donc c'est de demander au gouvernement de, de poursuivre ses efforts, ses efforts hein, et de réunir l'ensemble des acteurs autour de lui pour la meilleure réponse possible à l'insécurité alimentaire, d'accord Et aussi d'élargir peut-être un peu ce qu'on appelle la vente euh, de produits euh, euh, à, prix modéré, de continuer à appuyer les agriculteurs en termes de, en de semences et en termes d'intrants agricoles, en espérant que la météo sera, nous sera favorable et en espérant aussi que la situation sécuritaire permettra aux populations les plus vulnérables d'accéder à leurs terres et de pouvoir cultiver pendant la, saison euh, pluvieuse qui arrive. Monsieur Mohamed Achikawi, merci. C'est mon honneur de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes euh, le coordonnateur représentant du groupe de travail humanitaire de L'OIREN. E merci. <laughs> Alors, dans euh, le cadre du Hajj 2023, les pèlerins nigériens continuent d'être acheminés sur les lieux à Médine. Notamment, hier, la mission du COHO a organisé des visites guidées sur certains sites, euh, compte rendu avec nos envois spéciaux Adine Agalglas et Issa Issa. Après prière et invocation à la mosquée du prophète Mohammed Ali sur lui, le séjour à Médine pour les pèlerins est aussi caractérisé par des ziyaras ou visites sur les différents hauts lieux de l'islam. L'islam, le dénominateur commun de tous ces Asiatiques, ces Américains, ces Arabes, ces Européens, ces Indiens et ces Africains, parmi lesquels les Nigériens bien entendu. Al-Madina ou Médine, la ville illuminée, et la première cité de l'islam et la deuxième ville sainte, et ce, en ce qu'elle est la ville de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Médine est la ville où notre prophète a fait les jures pour échapper aux Mécois qui combattaient son message. À Médine, Mohammed, paix et salut sur lui, y a vécu le dernier moment de sa vie et il y est enterré après sa mort. Aussi, dans le cadre du Hajj, les pèlerins doivent-ils effectuer des visites sur plusieurs sites dont l'importance fait qu'il reste incontournable. Outre la mosquée du prophète Mohammed, paix salut sur lui, sa tombe et Raouda, les lieux à visiter à Médine sont par exemple le mont Uhud, où les musulmans livrèrent leur deuxième bataille après celle de Badr en l'an 4 de l'Égypte. À Uhud étaient tombés les premiers martyrs de l'islam. Il y a aussi cette mosquée au Kibla. Il y a également celle de Bilal. Bref, il y a plus de 100 hauts lieux de l'islam ici à Médine. C'est pourquoi il est recommandé aux pèlerins d'effectuer des visites sur ce site et cela vaut mille et une récompenses. Pour le pèlerin, pour connaître en tout cas le vrai sens du pèlerinage, donc il faut connaître l'histoire de la ville de Médine. Euh, la plupart des pèlerins nigériens euh, effectuent l'étape de la Ziara celle qui consiste à visiter le site sites euh, de Médine avant d'entamer l'étape euh, du Hajj. En tout état de cause, les pèlerins nigériens, comme d'ailleurs ceux des autres pays, effectuent tous les jours ces visites très bénéfiques dans l'accomplissement du Hajj. La communauté rwandaise du Niger a commémoré à Niamey l'anniversaire du génocide rwandais de 1994 qui a occasionné la mort d'un million de personnes, une période de deuil qui permet de rendre hommage à ceux qui y ont péri et réfléchir sur les moyens d'éviter les massacres en privilégiant la solidarité des uns envers les autres. Le point avec Hawa Maman et Mohamed Adam. C'est dans une ambiance empreinte d'émotion que la communauté rwandaise vivante au Niger a commémoré ce 10 juin le 29e anniversaire du génocide contre les Tutsis, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Entre avril et juillet 1994, près d'un million de personnes ont été massacrées au Rwanda. Par-dessus tout, je vais parler de l'importance de la solidarité, de la manière dont nous pouvons rester unis en tant que frères et sœurs pour faire en sorte que la tragédie qui a frappé notre pays, le Rwanda, en 1994, ne se répète jamais nulle part ailleurs dans le monde. Nous qui sommes ici aujourd'hui avons la, responsabilité d'assurer que plus jamais est un esprit d'action et pas seulement un slogan. Cette commémoration est placée sous le signe Kubuka 29, Mémoire, Unité, Renouveau. 29 ans après les événements les souvenirs restent gravés dans les mémoires et la douleur encore vive. Dans cette journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda, euh, vous lire les paroles du secrétaire général des Nations Unies. Nous honorons la mémoire des victimes, en grande majorité des Tutsis, mais aussi des Hutus et d'autres personnes qui s'opposaient à l'horreur, à ce génocide. Nous rendons hommage à la résilience des personnes qui en ont et nous saluons le peuple rwandais qui s'achemine vers la guérison, le rétablissement et la réconciliation. Flambeau de l'espoir, minutes de silence ont marqué cette commémoration et surtout la projection d'un témoignage déchirant d'une jeune femme tutsi relatant les souvenirs douloureux, comme pour dire on n'oublie jamais rien, on vit avec. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.